je me présente, je m'appelle Ibtissem. J'ai la chance cette année de participer euh, au Mawlid euh, dans la ville de Kaolac. Je suis actuellement au Symptôme, euh, Symptonium qui se trouve à Kaolac en date du 15 et 16 octobre. C'est la première année où j'ai la chance de participer à cet événement. Je viens particulièrement de France, exprès pour cet événement. Donc je suis ravie d'être ici, les gens sont très accueillants et l'ambiance est parfaite. Donc euh, je suis Tidjania, euh, je soutiens les femmes à venir découvrir euh, les choses ici dans la ville de Kaolac. les conférences sont exceptionnelles, on y apprend plein de choses, donc je vous invite à venir, j'invite toutes les femmes à venir et à se rejoindre à nous. Donc je prie pour Yaï TV, tous les orphelins et toutes les choses qui se passent en Afrique et je vous remercie. Moi-même je participe à toutes ces causes parce que c'est des causes qui me touchent beaucoup, les orphelins, les enfants de la rue et merci Yai TV. Thank you so much for your hospitality, for you, Yai TV. Thank you so much, and uh, welcome to Kaolak. It's very good uh, experience. I like Yai TV. I support Yai TV. I follow Yai TV in YouTube, and uh, thank you so much, Yai TV. Um, Salaamu alaikum, uh, dear viewers. Uh, this is uh, what's your name? Ibtisem. Ibtisem. She's from Morocco, yeah. but she stays. She lives in France. France yeah. Now she's here in Kaula yeah. for the Maulid of Sheikh Ibrahim Nias, and she's happy to be here. Uh, everybody, uh, they're happy to you know from nationalities from all the all over the world. Yeah. we feel one. There's unity. There's love. There's peace. So I, uh, she's so happy to give so much effort so Thank you too. Euh, Chers téléspectateurs, nous remercions notre très chère sœur ici, euh, du Maroc. Exactement. Et elle, euh, elle, est à la France, c'est ça Je vis en France, oui. Eh, donc elle est française, elle est marocaine aussi. Exactement, je elle suis est... venue exprès au Sénégal pour participer à cet événement. Masha'Allah, donc nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui ici. soit avec vous. Je vais traduire ça en Yoruba, ma langue locale. Oh, ok, je vais découvrir ça <laughs> eh, ìlú Morocco ẹ ọmọ France ni òun náà àjọ pàdé nílùú Kaula àbí báyìí ni kò sí ní tó gbé òun náà wá bí tí ẹ bá ṣe ọlọ́run àti dànù Muhammad Kaula yìí nínú ẹ̀kọ́ tá a rí kọ́ ni pé everybody gbogbo wa pátápátá ẹyọ kan ni wá a nífẹ̀ẹ́ ara wa a wí pé a dúdú lélẹ̀ funfun lélẹ̀ inú àwọn nǹkan tí Sheikh Ibrahim pèpè sí tí anabuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó pèpè sí náà ni ẹ̀kọ́ lọ́nkọ́ bá a dó ẹ ṣeun. this is thank you. ẹ this is thank you ẹ ṣeun gbogbo yín. ẹ ṣeun gbogbo yín. <laughs> yi TV, TV international ya yi TV, cibi international